le 24 euh, juillet 2014, lors de, ma première prise de parole en tant que maire de la ville de Thiès, dans la salle de délibération, j'avais clairement dit aux conseillers et aux invités, en votant Talasila vous avez voulu élire Thiès. Je disais que mon credo, c'était éthique, transparence, efficacité et ouverture. Et j'ai terminé en disant, je serai au service exclusif de Thiès. Depuis donc cette date du 24 juillet 2014, je me suis évertué avec euh, <coughs> euh, engagement et détermination à donner corps, disons, à cette déclaration, parce que Thiès a besoin d'un maire engagé, d'un maire présent, d'un maire qui comprenne quelle est sa mission. Dès le début, j'ai travaillé à casser les relations heurtées qui existaient entre la ville de Thiès et l'État du Sénégal. Euh, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, je l'ai fait par devoir. Puisque je sais que depuis Léopold Sédar Senghor, aucun maire n'a réussi quelque chose de grand ici à Thiès sans l'appui de l'État. En plus, il y a l'article 172, dernier alinéa, qui dit Le maire est responsable de la mise en œuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement. De ce point de vue, il est essentiel que la ville entretienne les meilleurs rapports de courtoisie courtoisie républicaine s'entend avec les différents services, disons, qui sont impliqués dans la mise en œuvre, disons, des différentes politiques euh, ici au niveau de la ville de Thiès. Donc je ne regrette rien de tout cela. Cela maintenant nous a valu euh, un glissement, un glissement vers euh, un combat pas politique, puisque les combats politiques ne sont pas mauvais, ces combats politiques ont souvent permis au Sénégal de faire des bons dans différents domaines. Mais un combat politicien. Un combat politicien sans génie, sans esprit, parce que orienté simplement vers la satisfaction des désirs d'un homme arrogant. Et j'avais dit, l'arrogance est un défaut majeur qui conduit fatalement à des réussites mineures. Une réussite mineure étant un échec fatal pour un arrogant majeur. Il s'agissait donc d'une gangrène que nous devons extirper, sinon notre ville risque d'en pâtir. Nous avons invité les, autres, les uns et les autres à se retrouver dans le cadre de la mutualisation, puisque la loi nous l'impose. C'est l'article 167 qui institue la ville, en disant très clairement, une ville peut être instituée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale. De ce point de vue, les différents maires, je veux dire maires de ville et trois maires de communes, peuvent avoir des divergences politiques, mais ils ont l'obligation de travailler ensemble pour faire avancer les grands dossiers de la ville. D'autant plus que euh, aujourd'hui, tout vient vers Thiès. Il y a l'aéroport international Blaise Diagne de Thiès. Bientôt, j'ai cru comprendre donc qu'on va avoir dans la région de Thiès le port, Andayan. Nous avons les autoroutes AIB de Thiès, Thiès Touba, Thiès Tianabatuawan et d'autres grands projets, surtout au niveau de Promoville, etc. De ce point de vue, la ville de Thiès, de par <clears throat> ses différentes institutions, a le devoir de se préparer, de se préparer à accueillir ces flux qui vont arriver, puisque nous sommes à seulement 16 km de, l'aéroport international brésilien de Thiès. Dans ce contexte, vous pouvez imaginer donc qu'il est inadmissible qu'il y ait un complot politicien pour tuer la ville de Thiès c'est un euh, complot sans nom, puisque au moment où les Sénégalais veulent venir habiter à Thiès, au moment où des étrangers veulent venir habiter à Thiès, grâce à ces grandes opportunités, des élus de Thiès se permettent de poignarder la ville dans le dos. Vous savez, aujourd'hui, j'avais fait vous m'excuserez exprès de proposer comme premier point de l'ordre du jour le vote de tous les comptes administratifs depuis 2010. Vous savez que nous, on ne pouvait pas voter les comptes administratifs qui ne nous concernaient pas. Mais au moins, nous avons réussi à démontrer dans la salle que l'équipe qui nous a devancés au niveau de cette institution n'a jamais voté de compte administratif. Et pourtant, ce sont les mêmes qui se permettent de venir devant les médias pour dire on ne nous a pas soumis de compte. Nous avons démontré devant tout le monde, avant les opérations de sabotage que vous avez vous-même notées, nous avons démontré devant tout le monde que tous les comptes administratifs euh, qui dépendaient de nous leur ont été soumis. Tous, y compris même celui de 2017, qui n'eût été les dispositions pertinentes de la loi, devraient être votés à partir d'octobre 2017. Donc tous les comptes administratifs, ça veut dire qu'à partir nous ne devons rien aux conseillers, nous ne devons rien de ce point de vue-là à la population de Thiès. Et personne n'a pris la parole pour pointer du doigt une erreur ou une faute de gestion. Personne. Vous savez que depuis ces trois années quelques mois, je n'ai manqué à aucun de mes rendez-vous avec les Thiessois. Dès le 30 octobre 2014, j'ai initié les audiences publiques pour rendre compte au TSOA. 30 octobre, 30 avril. Et tous les rendez-vous ont été honorés. Nous avons donc pu tenir cette édition où nous avons pu rendre compte au TSOA parce que la reddition des comptes, ça fait partie aussi de, des fondements de la démocratie. Si nous parlons de gouvernance, nous parlons de gouvernance vertueuse, nous parlons de transparence, nous devons tous nous dire que nous devons rendre compte. Euh, je suis heureux d'avoir pu avoir la santé et la disponibilité nécessaire pour rendre compte au territoire à chaque étape. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui commence. En clôturant la séance tout à l'heure, euh, puisque nous avons fini par voter une délibération sur euh, la gestion du corbillard de la ville de Thiès, j'ai dit que je savais que Euh, maintenant, ils nous ont déclaré la guerre. Quand je dis ils nous ont déclaré, Je vais le faire. Je vais le faire parce que j'avais, j'avais pris l'engagement de défendre Thiès. Le président Macky Sall sait que nous avons des divergences profondes sur des questions essentielles. J'essaierai de trouver des espaces d'échange avec lui pour essayer de résoudre ces questions afin de contribuer autant que faire se peut à écarter, à éradiquer, à nettoyer la gangrène politicienne. Parce que si nous ne le faisons pas, nous faisons courir à notre ville et à notre pays des risques. Idriss Seck, pour ne pas le nommer, n'a jamais mis les pieds au Conseil de ville il n'a pas montré d'émission. <coughs> C'est inadmissible. Idrissa Seck, pour ne pas le nommer, n'a aucun respect pour cette institution et pour la ville J'ai aujourd'hui assisté à la confirmation de ce qu'il nous avait dit en 1993 chez lui Nous y étions allés pour l'inviter à venir s'engager, disons, auprès des Thiessois. Il nous avait dit, ce n'est pas dans mon agenda. Je pense que les différents actes qui ont été posés le prouvent. aujourd'hui, il le prouvent encore à nouveau. Euh, en n'épargnant pas, n'ayant pas épargné, disons, les Thiessois, qui aujourd'hui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avions des défis à relever, c'est l'éclairage public, c'est la gestion des déchets, c'est un certain nombre de questions qui interpellent le citoyen au quotidien. Je pense que les énergies devaient être orientées vers une synergie afin de prendre à bras le corps ces différentes préoccupations et vraiment donner satisfaction aux populations autant que possible. Mais nous avons assisté à une mobilisation des forces politiciennes pour essayer de barrer la route à Thiès et ça par tous les moyens légaux, euh, moralement acceptables, possibles et imaginables, je m'engagerai avec ceux qui pensent comme moi pour faire échec justement à ces démarches. Euh, laxasaay ndax dama fas yéene doon Baye Fallou Thiès ngir ñu nangu baat boobu ngir ñi mu gënalul damaa fas yéene doon surga Thiès kon su fekkee ne boobaak léegi maa ngi xar sama tànk tubéy ci loolu nekk fépp yàlla rek a ko man mais yaakaar naa ni waa Thiès xam nañ ni lu ñu ne maa ngi ciy nekk maa ngi dem église maa ngi dem si gàmmu yi maa ngi dem si cant ngi dem ci magali yi ngi dem ci terrain yi maa ngi dem ci dëkk yi ngi dem ci terrain yi yëpp yu nga xam ne yaakaar naa ni ah, ab Cees waa war na mën a soxla meeram <coughs> mu taxaw fa ci wetam defe naa ne loolu ku nekk xam na ah, ginnaaw loolu it fépp yu ñu yaakaar ne war nañ faa mën a wutal xéewal dëkk bi ñi ngi ciy dox waaye balaa ngay jéggaani di génn Sénégal bi gën a jege état bi amul benn maire bu mas a réussir lu am solo ci ab dëkkam fii ci senegal te jëlewu ko ci état Senghor ba tey ndegam nag euh, loolu nit ñëpp teg nañ ci seen bët yaakaar naa ne Idriss sekk bi ba mu nekkee ci état bi nekk ci wetu président Abdoulaye Wade luñ ko fi askanale rek ñu ko fi moomale ca jamono boobu la juddoo ba mu ci jógee jëmbut fi gar kon loolu réalité kon bu fekkee Talla Sylla ci wàllu boppam en tant que nit am na ay xalaatu boppam ci politique yoo xam ne mën na wuute ak yu ñi na ci état bi Talla Sylla bu ñu ko xasee tànn mu nekk maire dafa yor kàddu waa dëkk bi kon su yëkkati kàddu ba koy daaneel mënut a wax wala mu def leneen lu dul loo xam ne mooy intérêt bi bu demee ba maanaam moom xalaatam mu koy exprimer ëppal ko solo njariñu dëkk bi booba dafa war a tekki ndomba tànkam nekk ci la mu ta comme tollu ma foofu ndax ay kilifa yu mag ta mat ko dañ mané won no mana def ak ko mana andal ba jot ci def ko te boko ko nga téye ko ci téye ko la bu mako bëggé bëggee nak képp ko xamné gis na la nga bëggé yakal dëkk bi dana jakkar ah Serigne Moustapha Sy moo daan wax ni politique nee buñ ko nampalé ci wénu tiaxar nee su maggé rek sax wayé lu melni bettuma ndax wolof mooy wax ne jikko boroom baax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si da doon nettali mu ni soxna si day dox ci àll bi ba mu yàgg mu dajanteeg perantalu cin nee na yaay ja dee baay ba dee mu yërëm yóbbu ko këram di ko nàmpal ak soowu xaram ba bis till ba yow mi ñu yar ci kër nit ak nit ni mu nite di la nàmpal ak soowu xar ak xar ni mu lewe te teewul nga fàttaliku ne till la jur loolu mooy wane ni siddit sori na ca borom te loo ko defar defar bu siddit mu kon ak lépp loo xamante ni ah nit ñi ñi ko doon ci ay conseils yoo xam dañ leen a tànn ñu war ko def amuñu lu def lu jël seen ngànnaay di ko dóor ci ndoddu waa Thiès ndax tey wane naa ci séance bi ne ñoom ñii nga xam ne xëy na ci wàllu boo leen dee wàññi ñoo gën a bëri ca saal ba te yore woon maire bi avant démontré nañ ni amul benn compte de gestion depuis 2010 bu ñu mos a benn ah compte administratif bu ñu mos a ñoom na ñooy réclamer ay compte de gestion donc comme mosu ñu cee voté benn. ils sont très mal placés pour donner. leur ci mais nous, comme beaucoup de ah nous du nous ñun dañ leen a tegal nous, des at mu nous ñu yu am solo consommation électricité Wa, la di nous ko restituer di ko di ko jox ñu la ko Nous gafaka pour défendre lamp yi ci bi nous la alors que nous, ko Nous, ko lu ñu leen tegal ñu jóg voté contre loolu dalay won ni ñoom amuñu leneen lu leen yitteel duñ lu xeex Cees man nag fas naa yéen tey jël divergence yi nga xam ne am naa ko ak président Macky Sall parce que am ay wuute gis-gis yu bëri xam na xam naa ndax sama xarit saa ñu masee waxtaan am na point yu bëri yoo xam bokkuñ ci xalaat bu ma ci laajee sama xalaat dinaa ko jox sama xalaat moom xam na ni. man am na nu may doxe ak am na yu ma gëm te loolu dara du ko dindi ci àdduna waaye tey ngir sàmm dëkk bi ak sàmm senegal parce que ku mën a def loolu ci biir Thiès bi nga xam ne defal na la lu ne porter la sa combat yi nga amoon yëpp te teewul nga wëlbatiku di jàpp paaka Thiès suba buñ la dénkee Sénégal yaay raw it kon pour bañ lu mel noonu am danaa bàyyi bëgg gi ma bëggoon a nekk candidat pour 2019 renoncé naa ci jiital intérêt Thiès intérêt Sénégal dinaa ci jàppale Macky Sall dinaa toog ak moom wax ak moom nag ñi nga xam ne bëgg naa mu xoolaat ko waaye danaa jàppoog moom ngir ñi nga xamante ne du ñu njariñu Sénégal ñu jëlee leen fi nu mu gën a gaawee li ci des ñu teg ko ci kanam jërëjëf